Thanks. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou de ce mercredi 28 août 2024. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno, avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, Dieu merci. Alors, euh, nous avons quoi au menu ce matin Comme toujours Fanta, nous allons offrir euh, du contenu de qualité à nos fidèles auditeurs. Nous débutons avec euh, un flash d'informations suivi d'une sélection de la meilleure musique nigérienne. Dans notre rubrique hebdomadaire, comme chaque mercredi, nous aborderons le thème de l'environnement. Et dans l'entretien d'aujourd'hui, nous donnons la parole à Mamadou Abouba, un pêcheur de la commune rurale de Tabalak, dans la région d'Ottawa. Il y aura aussi du sport, un reportage régional du loti avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique en Zarma. Et oui, Fanta, nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Moussa Hassan et à la technique, nous avons Amina Hassan. Et c'est avec le flash d'information que nous démarrons cette émission. et nous est présenté aujourd'hui ah, Rafika Tahir, Bonjour Rafika. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Alors pour ce matin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État, le général de brigade Abdramantiani Tiani, a signé hier 27 août 2024 une ordonnance instituant un fichier national destiné à renforcer les mécanismes de lutte contre le terrorisme et les infractions menaçant les intérêts stratégiques de la nation. Toute inscription dans le fichier entraînera automatiquement pour les personnes ou entités concernées, le gel des avoirs financiers, l'interdiction de se déplacer à l'intérieur du pays, ainsi que l'interdiction de voyager à l'étranger et des restrictions sur les transactions commerciales. De plus, toute personne inscrite au fichier pourra être, pourra être provisoirement déchue de sa nationalité nigérienne par décret, une déchéance qui, devra définitive, qui deviendra définitive en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. Cette initiative marque une étape significative dans les efforts du Niger pour préserver la sécurité et la stabilité du pays face à des menaces croissantes. Après les pluies diluviennes abattues sur notre pays et les inondations provoquées, le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour y faire face. 12 milliards de francs CFA ont été débloqués sur le fonds collecté par la COLDEF. Le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle a également annoncé une importante contribution pour atténuer la souffrance des populations en annonçant plusieurs actions pour soutenir les efforts des redressement et de reconstruction des municipalités face aux inondations dans une interview accordée à l'agence nigérienne de presse. Selon Yabila Maman, coordinateur du PIDUREM, en 2024, environ 223 millions de francs CFA seront déboursés pour appuyer la réponse du gouvernement face aux catastrophes soudaines. Enfin, le docteur Faustine Anglebert Ndugoulil, candidat désigné par la République unie de Tanzanie, a été élu hier directeur a été élu hier directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région africaine. Cette élection a eu lieu lors de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient actuellement à Brazzaville au Congo. Le docteur Ndougou Lille succédera à la doctoresse Machidiso Moeti qui a dirigé le bureau régional pendant 10 ans. Élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, le docteur Ndougou Lille a remporté le poste après deux tours de scrutin, devançant le candidat nigérien, le docteur Bouré Mahama Sambo, le docteur Richard Mihigo du Rwanda et le docteur Ibrahim Sosefal du Sénégal. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour euh, le flash info qui nous informe sur l'actualité de la journée. Et comme annoncé en début de mission de la partie entretien d'aujourd'hui, nous allons écouter Mahmoud Abouba, un pêcheur de la commune rurale des Tabalak. Oui, Fanta, mais bien avant, on va bouger en musique pour euh, bien se réveiller. Et le premier titre de notre sélection musicale 100% nigérienne du jour est Niger Zinare. On écoute. Zinare, Zinare, une très belle chanson qui vante les mérites de notre pays, une chanson qui appelle à la paix et la cohésion sociale, mais aussi à l'unité pour le développement de notre chère patrie. Oui, Fanta, Niger Zinare, comme pour rappeler à quel point le Niger est notre bien le plus précieux, mais aussi à quel point il est important pour nous de cultiver et de sauvegarder cette paix. chers auditeurs, c'était le titre Niger Zinari en espérant que vous avez aimé. Faisons à présent, place à, l'entretien du jour avec Mamadou Abouba, le pêcheur de la commune rurale de Tabalaka, région Tawa. Il explique ici les règles et conditions à respecter pour exercer l'activité des pêcheurs dans cette localité. Il est au micro de Asman Aboubakar. to hmm. ya kuke da aikin na to nan yana da tsari na nan na harko dai kungiyoyi da akwai na nanga ga lactama cooperative kamar na harko dai duka makamiki bai shiga ruwa sai ya ɗauki takardu akwai takardu da ake ɗauka akwai permi akwai patent wannan duka makamin kihi in zai shiga ruwa sai ya ɗauke su na biyu kamar nan da muke shine santar na, na, kihi wanda ake cewa kampala duka wanda ka kihi nan yake kawo shi na ake auna shi eh, ana rubuta wani dan wani ya kai kilo kaza in kala kihin ya kai nawa kowane kala ana hidda yauni ne daban eh, bayan haka nan akwai mutum biyu da kungiya ko ce kungiya ke aja muka ɗauki misalin wagana akwai kungiya nan ga gudana eh, akwai sekretar akwai adijuwan sekretar wannan duk kihin da an ka kawo suke auna shi sannan akwai Eh, dan kaso na kungiya da ake hidda daga cikin kowane makamin fiye ka kihi eh, in kana da kilo misali a ce kana da kilo ka kawo kilo ashirin eh, akwai dala biyar biyar da ake hidda wannan shine ake sa cikin fon din cikin kaskin kungiya a takaice kashin yadda muke ta da tsari na kamun kihi na nan ga yanzu kayan aiki wani hmm. ya kuke kusa su to kayan aiki na mutum ke saye da kanshi akwai masu saye da kansu akwai kuma eh, da shike nan su makamaki in sun ka kamo akwai mata masu saye suna saye suwa su suke sai dama wannan kihi don ka yanzu in ka kana son kayan haƙo wadda kake sai dama kihin nan sai ka zo ka gane ta to ina son eh, kayan kamun kihi kaza ita za ta yadda kuɗi ta ta baka ka ka sayo wannan kaya ka gyara ka hauda sannu sannu kana kaya ki tana yadda abin gashin kuɗinta wasu kuma suna saye gaban kansu hakan ga ba tare da kowa ba haka ya haka ni ka ce ba ko ne ko na fito daga Nigeria ina iya zuwa kawai yanzu in shiga wangar ruwa in kawar kamu kihi a ba ka shiga kana iya zakkuwa ka shiga ka kamu kihi amma sai ka bi ka'idodi misali ka'idodin su ne akwai farmi akwai patent psychologa ta meri. Eh, kamar su patent ɗin sun eh, permit ɗin ya kasu kamar kala biyu muna 'yan ƙasa duka shika goma na aka yi mana permit guda kowane mahaƙi zai ɗauki permit a shika goma in ka fito daga wata ƙasa shika ashirin za a yi maka eh, permit patent ka shika goma sha uku nan patent ɗan ƙasa shika shida rabi na kenan kowane dan kasa shika goma sha shida rabi zai ɗauki takardu ne in dan najeriya kake za ka ɗauki za su kawo maka shika talatin da uku kuma za ka bi tsarin da ƙungiyoyi sun kai akwai dokoki da ƙungiyoyi sun ka tsara takardu su abin da shahi farmi environment ke bada shi dama ga hannun su suke abin da shahi patent wannan shi kuma bangaren mairi na ke bada su tanto police municipal ka bada shi albarnama ko da wani lokaci ya zamanto kama jagora na eh, al'umma wanda abin da ya shahi ruwa da abin da ya shahi abin duka shawararin mu dai tare maka yansu duka tsarin da zamu yi tare maka yi da su kamar yanzu akwai wasu farmasiyon da suke muku suna yi mana farmasiyon kamar me da me to kamar yanzu eh, akwai dokoki wanda suke na gwamnati na wanda ya Allah mu ba mu san su ba eh, su in mun zaka an sun zaka tare da mu an ka zamana ana ni hakan suna ce mana to doka kaza ga abin da ta nada ko kuma abu kaza ya kamata a sa cikin tafki wanga shi abu ya kamata a sa ba lalle wannan suna yi mana eh, horo a kai to kuma suna control haka kai a kai suna yi suna yi yanzu shi control din da suka yi suna hada tare da mu kamar mu wakilan kungiyoyi eh, in su dole suna ba mu ajan guda sai mu ta yi tare da su ana kewa a hauruwa a diba kamar misali an ce ba a sa karamin kalli mai kama karamin kihi to muna ta tare da su saboda mu adda jirage mu mun san duka irin wannan kayaki ta tare da su wanda an ka gani da su a kama in ba a gama mai su ba wannan kayan ke su aka azaka a kone su ko kuma a sa su cikin mangaza in an kama mutum kuma akwai tare da aka yi mai kungiyar tana mai tara su kankan su suna musu tara kuma ya yanzu wajen kihi akwai kihi ana samun shi sosai nan eh. akwai kihi akwai kihi kowane lokaci akwai shi to eh ana samu ne kowane lokaci amma kuma kun san yanzu in damana ta kama kamar haka lokacin da tabki ya cika kaf to ana ruhe shi kamar muna ruhe shi ya ɗauki wani sa'ali wata shidda ko wata har takwas ma in an sa sabon kihi to yanzu kamar bana da shike kihin tun na bara ne ba iri an kasa ba to ana ga kama shi yanzu nan da Voilà, chers auditeurs, euh, avant de continuer, Fanta, je propose qu'on fasse une petite pause en musique. Et je vous propose le titre Taolele Birna Ader de Tal National. Allah yake guni ba bawa ba ya ji jilalu wali kirami ya ji jilalu wali kirami Ko kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya ɓaci in ji rasulallah musulmi kumya Allah ba ya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago rago yana ana ka kazanci in ji malum bale rago yana ana ka kazanci in ji malum bale ina raga gani a farata. ga wata ta ma wata gori ga wata ta ma wata sheri ga wata ta ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta tuntuba zai fadi kwami ta tuntuba zai fadi Eh et oui, Tawa les chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'est le titre de cette époustouflante chanson que vous venez d'écouter qui magnifie la ville que vous êtes en train d'écouter, qui magnifie la ville de Tawa, capitale de la l'Adère. Justement, c'est nous, l'artiste Hachem parle surtout du courage et l'abnégation qui animent la population de cette région dans le sens du travail et de la recherche d'argent lucide. Eh bien, spécial dédicace à tous les Adarawa qui sont à l'écoute de cette émission. sena na tuno da alasha ko miliyana ra'ayin lafon wasan mawaka dile verle izoba sina tinoona dzikohomeri yanarayoasa Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Taolele Birna Adar d'État National en espérant que vous avez aimé. Poursuivons avec euh, l'entretien accordé par Mamadou Abouba. Oui, Fanta, dans cette deuxième partie, il parle des différentes espèces de poissons disponibles dans la mare de Tabalak et les méthodes de conservation de ces espèces après la pêche. Il évoque aussi euh, les effets du changement climatique sur cette activité. Écoutons-le toujours au micro de Asumana Aboubakar. to ruwa na irin kifi ne ake samu irin ce yanzu duka da ne a cikin shi eh bara mun dauko irin kaftan mun sa actualman ta aihu sannan akwai buku eh, wanda ake cewa carp sai daga ciki su dai na akwai to yanzu wanga kifi in kuka yi ana hmm. sarrafa shi ana sarrafa shi kamar da kuke yi da shi yanzu kifi wanga sarrafa da aka yi mishi guda eh, soya shi na aka yi na nanga wani kuma gasa shi na don kana ganin ma ga furfur nan na gasa shi in yayi yawa muna gasa shi wani kuma akan sa shi cikin tarmusuka a sa mai galas a tai da shi a gadayar zumaradi duka ana taya da shi daga na nanga to su wane ne ke san ke yan banko ne ke san shi na nanga kamar muna da mata da maza masu wannan kasuwanci da nan nanga nan gara ake sayar da shi ko ana hidda shi ana hidda shi ana hidda shi waje kamar yamai ko wani agaras ko duka ana zuwa eh duka suna ta yanzu an ce za a buɗe shi to tawa za su duka masu wannan sana'a suna sakwa nan ga nan in ka zaka baka samu hulun da ma za ka yi tsaye saboda dan adam to yanzu ban sani ba kuna mm. iya iwale kamar ga ga wata ko ga shekara gama to na nawa kuke aiki niki yanzu shekara bana har yanzu dai ba mu shekara ba budin da an kai abinda mun ka kiyasta an hidda wajen ton 45 na na kihi a cikin kwana biyu ma ton nawa ton 45 to yanzu wannan cooperative kuna iya mini misali kamar mutum nawa yake cin abinci cikin ta to ni abin da zan takaitawa daga cikin eh, misali da zan baka na wanda ka ci abinci bisa gare ta gaskiya faraska duka garin ga babu wanda bai unhani bisan bisan harkar gina nan ga nan gaba ɗaya garin ga tunda kasuwanci kakai in an kamo sai ka karu da shi ka kake wani aiki kake nan dai kai munan ba mu da bugun gaban da huce kamun kihi na nan ga kenan mazajen garin ga su dai ba su zuwa ko ina aikin su kamun kihi to ba a rasa masu hita saboda ka san samari samari dai su suna hita su ta kasashen waje amma dai wanda dan kwambi gaskiya in dai ga sana'a ga ta kihi to insha Allah dai ba a dan zuwa ne su kware. yanzu kama hmm. kilo kilo ne kuka sayar da shi ko ko ya ne ake kilo kilo kilo kilo na muke sayar da shi kamar kana ya mini kowane kifi a ce ga kudin shi na kilo eh yanzu kamar kaftan nan abin da muke saida ta muna saida ta kilo 300 muke saida kilanta akwai wani eh, kihi da ake bakin kihi shi kuma muna saida shi jika da 50 kilo sannan buku wannan mai a karf shi kuma muna saida shi 130 kilo ne haka muke saida shi to yanzu mu zo warwar ruwa da na ku gani canjin ya'ani bisa wannan aiki na ku lalle canjin yanayi ya kawo mana matsala sosai ma da ba ta da ma misali saboda gada cikin tafki wanga muna da kala-kala ta kihi kala wajen goma sha ɗaya gare mu espresso ta kihi to fir a mai ruwan eh, tafkin yana kwaso ƙasa da rishin ruwa na saman kwarai yanzu sai zamanto duk irin nan sannu-sannu suna ta bacewa ko har sun bace ma kuma tafkin sai ya samu ruwa bai shekara wani bi da ruwa to da ko sai sai ka mance ma ka ji an ce tafkin ga shi ya hauke sai dai shi dan sha baya ƙasa kawai amma ba ka jin da ya magana tafkin ta bala ya hauke kenan yanzu bai da zurfi ƙasa a bai da zurfi gaskiya bai da zurfi bai da zurfi don ko waɗanga ruwa da ka gani sun shigo ciki ne yanzu a fen huri-huri ne da ka zo ka samu inda zai kai diameter a gani ko da wajen katimetar wani abu yake to kamar masu cin amfani shi ku na matsayin ku na masu kama to kamar wanda kokari ne kuke kawowa cikin gyara wannan wannan wannan tafki to kokarin da muke kawowa bisan gyaran tafki akwai eh, cawowi da muka kashi kuma kamar lokacin da ruwa sun ka shaye kun san jardinage wani bi suna ka ana sa ƙayoyi hakan gana a yi wannan in tafki ya shaye su ma muna cire wannan ƙaduka muna ƙone ta da tsohin kaya wanda mahaƙa ke bari hakan ga mai yanzu misali ruwa sun shigo wasu kaya sai su gamo da kaya da cawa ba su kwasuwa sai a bar su to irin su duk muna shiga ana ke su ana hiddo su waje sai saboda su wannan in ruwa suna sakwa ga ruwa ga ƙasa kamar yana ƙara mahurin tudu in ana barin irin wannan kaya cikin tarki to kuma lokacin duka shafke-shafke itace in ya kama eh, muna hidda cikin da mu da mu mu ɗauka muna sa mu gyabu masu kawo wannan ƙasa ana tartama da kori duk wannan an muna yin shi tunda bana ma mun yi hidda cawa nan cikin tafkin nan kafin ruwan su fara a kwarai to ya tahiya ku take da masu productor wannan na masu aikin lambuna masu aikin lambuna to laya muka tafiya da su saboda ba mu dai taɓa samun matsala ba bisa ga tahiya tsakaninmu da su babu tunda daga cikin makamakin ma akwai masu wannan aiki shi da kanka ne babu matsala tsakaninmu da su salma eh, yan matsaloli can na baka rasa su saboda yanzu kamar lokacin da tafkin gasha ya haƙe mutum ya yi shi bukata sai ya sa kaya hakan ga ya ɗan killace C'était Mamadou pêcheur de la commune rurale de Tabalak, région Tawa. Il était au micro de Asman Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et passons à présent à la rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler environnement. Exactement, Fanta. Et aujourd'hui, dans la rubrique environnement, nous parlons de la nappe phréatique dans l'Aïr. La nappe phréatique est souvent confrontée à une pollution de plusieurs types qui la rendent parfois inutilisable Néanmoins, des méthodes sont pratiquées pour le traitement de cette eau. Oui, Fanta, pour en savoir plus sur les types de pollution et les méthodes de traitement, Anissé Karim s'est entretenu avec Maman Alaji Abdou, euh, hydrologue, chef de division assainissement et responsable de contrôle de qualité euh, de l'eau à la direction régionale de l'hydraulique d'Agadez. Qu'est-ce qu'une nappe phréatique C'est une nappe de peuple profondeur. La première nappe à travers laquelle maintenant on trouve l'eau et qui est sujette à la pollution. Quels sont les types de pollution d'une nappe phréatique donc pour ce qui concerne les pollutions, on ne peut que citer quelques-unes parce qu'il y a plusieurs types de pollution. Mais d'une manière générale, nous avons la pollution industrielle, la pollution agricole, la pollution liée aux activités de l'être humain. Par exemple, un individu qui jette quelque chose dans un puits, donc ça c'est une pollution maintenant humaine qui est liée à l'être humain. Ça fait partie maintenant des pollutions humaines. Donc un exemple que je viens de donner. Et que faire en cas de pollution d'une nappe phréatique Si c'est la nappe phréatique, personne ne peut maintenant trouver une solution à ça. Mais on peut creuser, à enlever l'eau. Maintenant, on peut directement traiter cette eau. Maintenant, ce traitement-là, on peut faire par osmose inverse la pollution maintenant est très donc élevée, il y a plusieurs éléments qui ont dépassé les normes, obligatoirement il faut une osmose inverse. Le cas où c'est un seul élément, par exemple le cas de nitrate, nitrite, très simple, l'addition du chlore peut éliminer ces éléments-là. C'est comme la pollution bactériologique, la même chose. L'addition du chlore peut directement enlever cette pollution ou bien éliminer cette pollution de l'eau. Mais pour ceux qui concerne certains éléments chimiques, c'est l'exemple du fluor, l'exemple de potassium, l'exemple de manganèse et tant d'autres. Maintenant, il faut obligatoirement un dispositif d'osmose inverse. Maintenant, c'est un enchaînement de plusieurs appareils qui filtrent l'eau enlève complètement les éléments maintenant que cette eau-là en contient. Par après avoir filtré, on reverse ces éléments-là conformément aux normes OMS. Donc c'est ça le somos inverse. D'autres méthodes existent, mais quand même pour le moment au Niger, je n'ai que ces deux exemples. Le somos inverse et l'autre maintenant qui va utiliser, récemment trouvé maintenant, c'est les Américains qui nous ont initié ça. Ici à Gadez, nous avons un dispositif pilote à Tungu Bénin. On a fait ça devant tout le monde, on a fait le test donc, du fluor parce que c'est un élément maintenant qui est très trouvé maintenant dans les nappes phréatiques de la région d'Agadez et qui nuit beaucoup à la santé humaine. Il peut encore créer la mort, il peut faire naître des handicapés. Très facilement, il attaque le squelette, il le détruit complètement, donc l'individu ne peut même pas marcher ou bien se soulever même. Ils nous ont initié ça, ils ont dit en Amérique, voilà comment ils font et on a fait ça vérifier. Le fluor a été parce qu'il était à 8,6 mg par litre. Il est revenu dans les normes 1,01 après avoir traversé ce dispositif-là. Et tous les matériels ou bien les éléments utilisés sur ce dispositif-là, on les retrouve au Niger. L'acide phosphorique, on oh, ne le fabrique pas au Niger, maintenant il est à prix, et encore, on peut le trouver à tout moment lorsque le besoin s'impose. Cette méthode-là, comment elle est pratiquée Elle est pratiquée maintenant, c'est un filtre, couche gravier, sable. Maintenant, on met ça dans le polytank ou bien château, si je peux utiliser le terme. Il y a quatre châteaux. Le premier château, c'est l'eau originale, donc l'eau qui vient de la source, de la nappe phréatique. Après, elle va traverser un dispositif où il y a le calcaire, dans lequel on jette une petite quantité de l'acide phosphorique. Le troisième conteneur, maintenant, il contient ce filtre-là dont j'ai dit. Et tous les éléments de ce filtre-là sont trouvés au Niger. Par exemple, notre cas de Tongo Bénin, maintenant, on a trouvé le sable, on a pris le sable, on a pris le calcaire de Malbaza, on a pris le gravier de Madawa. Mais tous ces éléments-là, on les trouve ici à Gadez. On les trouve, on peut les trouver à Gadez, j'ai même pas de doute, donc, et qui sont de bonne qualité. Mais comme ce sont eux, ils ont, préparé maintenant, comme ils ont le moyen de faire le déplacement amené, là-bas, c'est un peu, là-bas, c'est au niveau de la cimenterie de Malbaza, donc ils ont pris ces calcaires-là, ils ont amené ici, ils ont fait le filtre. Et le filtre-là, c'est lui qui fait le grand travail. Et ça, tous les éléments, je viens de les citer, c'est sable, gravier. Maintenant, directement, il émet ces éléments-là. Il peut même éliminer d'autres éléments qui peuvent à la santé humaine. Donc, euh, c'est vérifié. Il est moins coûté par rapport à l'autre parce qu'on a tous les matériels, donc ce qui reste maintenant, c'est de les utiliser. Voilà, c'était Maman Alhaj Abdou, hydrologue, chef de division assainissement et responsable de contrôle à qualité de l'eau à la direction régionale de l'hydraulique d'Agadez au micro de Anissé Karim. Poursuivons avec euh, notre troisième balade en musique. Je vous propose, chers auditeurs, le titre Nukandi de Maliaro, une chanson qui éveillera en nous une prise de conscience sur la corruption. ba ai kun kan manta kimi kin ga bisa kin fara zari koi lamba mun ga mi an ga labu yeti banda ci na mai da kasa baya ce titre, candid de l'artiste Maliaro est une musique qui aborde un sujet aussi important que délicat. La, corruption sous un style reggae comme pour interpeller. Cette chanson, euh, interprétée par le talentueux Maliaro, nous invite à réfléchir sur cette réalité qui impacte nos sociétés. À travers une belle mélodie et des paroles percutantes, Maliaro nous transporte dans un voyage musical engagé qui rappelle l'importance de la transparence, de l'éthique et de l'intégrité. Après cette pause musicale, c'est nous, on passe à l'écho des régions qui nous amène dans le département d'Arlit, région d'Agadez, pour parler des préservation de la santé de la femme et son bébé après l'accouchement. Oui, Fanta, pour préserver la santé de la femme et celle de son bébé après les mois qui suivent l'accouchement, il est nécessaire qu'elle prenne certaines dispositions. La prise de fer pour elle et l'allaitement exclusif pour le bébé est recommandé. Pour en savoir plus, Gunguma Mandantani s'est entretenu avec Madame Amina Amadou, responsable du centre de santé intégré Carré d'Arlit. Madame euh, Amina Amadou, quels sont les conseils à donner à une femme qui vient d'accoucher pour préserver sa santé et la santé de son bébé et Le conseil que nous donnons aux femmes pour leur santé et la santé de leur bébé après l'accouchement, c'est la prise du fer. Vous savez, il y a certaines femmes qui ne prennent pas le fer après l'accouchement, alors que le fer doit être pris de l'accouchement jusqu'à trois mois après l'accouchement, normalement. Et pour la santé du bébé, Normalement c'est l'allaitement exclusif sans donner de l'eau, parce que 90% contenu du lait, c'est de l'eau. C'est les 10% seulement que c'est du lait. Donc c'est l'allaitement exclusif sans donner ni eau, ni biberon, ni autre. C'est le lait maternel jusqu'à 6 mois. Après les 6 mois, quand vous amenez votre enfant à la vaccination, il y a certaines choses qu'on augmente parce que le lait seulement ne suffit pas après les 6 mois. À 42 semaines, une maman doit amener son enfant pour la consultation nourrisson, pour ses vaccinations. Le BCG, c'est dès la naissance. Après 42 jours, c'est le DTC qu'on appelle maintenant Penta, Rota, Pneumo. Ainsi de suite, à chaque mois, la femme doit amener son enfant pour les consultations nourrissons. Alors, euh, est-ce que les femmes ici à Arlit observent cette euh, consigne Bon, c'est pas toutes les femmes vraiment qui observent ces consignes. À vrai dire, c'est pas toutes les femmes qui prennent le fer. Mais celles qui viennent à l'hôpital, quand on leur fait la sensibilisation, elles prennent. Est-ce qu'il y a des femmes qui participent et qui écoutent bien oui, oui. Et actuellement, nous avons un projet. Chaque matin, ils font une sensibilisation pour les femmes enceintes et les femmes qui amènent leurs enfants pour la consultation nourrisson du lundi au vendredi. Pour ça, vraiment, elles sont bien sensibilisées et elles respectent ce qu'on leur dit. Alors, après la période d'allaitement, quels sont les conseils qu'il faut donner à la femme par rapport à l'alimentation Normalement, après six mois, il y a un apport nutritionnel qu'on ajoute à l'enfant, c'est les bouillies, après six mois. Ça doit être continuel jusqu'à neuf mois. Après neuf mois, c'est les purées et donner un peu le plat familial sans épices, ainsi de suite. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web le www.studiocalangou.org. C'est le moment pour nous hein, de recevoir Salamatou Kadri, notre chroniqueuse sportive pour la partie sport. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Salamatou. Alors, euh, nous ouvrons cette page sport avec la 13e édition de la Ligue nationale Niame 1 qui a débuté et qui se tiendra du 26 euh, au 1er septembre 2024. Et oui Fanta, cette cette compétition participe toutes les huit régions du Niger. Chez les hommes, 11 équipes y prennent part, dont trois de Niamey, à savoir Ice Police, Ice Fan et Ice Renaissance. Les autres équipes viennent de Dosso, Maradi, Tawa, Agadez, Zander et Difa. Côté dames, il y a deux équipes de Niamey, AS IENUMA, c'est-à-dire Université Abdou Moumouni de Niamey et AS Police. Deux équipes féminines de Dosso, une de Zander et une de Difa sont aussi de la partie. Salamatou, parlons à présent basketball. Les, euh, les, informations, le Niger ne dispose pas, selon les informations, le Niger ne dispose pas d'équipe nationale dans cette discipline. En effet, nous, bien que le Niger ne dispose pas d'équipe nationale, les différents clubs régionaux organisent quand même des compétitions. Écoutons maintenant El Haji Amadou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball, pour nous parler de la situation de cette discipline au Niger. Effectivement, bon, il y a eu deux compétitions au niveau de basketball, euh, au niveau de Niamey. D'abord, il y a eu le tournoi des clubs qui a été joué pendant un mois et présentement se déroule la Coupe de la Ligue. Oui, oui. Et donc, euh, les préliminaires sont terminés. Huit équipes euh, masculines ont participé ou bien du moins participent et trois équipes féminines. Nous sommes au stade euh, de demi-finale, Inch'Allah. Donc voilà brièvement ce qui se passe. Donc euh, au niveau compétition internationale, malheureusement il y a pas, il y a seulement d'ici peu en septembre il y aura la Coupe d'Afrique de 3 contre 3 qui va se jouer en Afrique du Sud. Oui, malheureusement, nous n'avons pas pu participer, et, mais nous avons participé aux deux premières Coupe d'Afrique en 3 contre 3 à, Lomé au Togo et puis à Kampala en Ouganda. malheureusement, ces derniers temps, avec les difficultés, eh, il n'y a pas eu d'équipe nationale. Il y a eu une équipe nationale d'âme qui eh, devrait participer décembre 2023 euh, au Togo, au premier tournoi des pays membres euh, de la zone 3 le comités olympique, Malheureusement, comme euh, l'équipe devrait partir par la voie terrestre, et à la dernière minute, le voyage a été annulé pour des raisons sécuritaires. Sinon, le Niger devrait participer en basketball dame 3 contre 3, en volleyball dame et en handball dame. Voilà, chers auditeurs, c'était Bouboukar El Haji Amadou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball. Et à l'international, à présent, parlons des Jeux paralympiques. Et oui, l'actualité oblige. L'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024 se déroulera ce soir à partir de 18h heure de Niamey et se tiendront jusqu'au 8 septembre prochain. Notre ambassadeur Omaru Ide défendra les couleurs du Niger à ces Jeux paralympiques. Il participe au tournoi para taekwondo de la classe homme K44 monde de 58 kg. Rappelons aussi que le Niger est à sa sixième participation à des Jeux paralympiques d'été. Voilà, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Salamatou, pour euh, toutes ces informations. C'est le moment pour nous de découvrir l'étoile du jour. Tu nous présentes qui ce matin Eh bien, Fanta Pur, produit des écoles professionnelles du Niger, Abayi Mohamed a obtenu ses diplômes en mécanique lui qui lui ont permis, euh, après des années de perfectionnement, d'ouvrir son atelier de fabrication des pièces d'engins. Unique dans la région d'Agadez, il aide aussi l'État en mettant à disposition son atelier aux étudiants de l'école de mines de l'Aïr et Maïr. Son portrait, son portrait avec notre correspondant à Agadez, il s'agit de Karim Anissé dans son atelier où il passe la majeure partie de son temps entouré de ses collaborateurs. Abay Mohamed, la quarantaine, plein de vie, à l'aise sur sa machine, s'apprête à récupérer une pièce d'un camionneur. Il nous parle de son parcours. Les activités dont on est en train de faire maintenant, c'est la fabrication des pièces mécaniques. C'est ça la mécanique générale. Les gens de la ville, c'est ça qu'ils appellent le tournage. On fabrique des pièces mécaniques, les axes, les bagues, les écrous. On fait le filetage, le taraudage on fabrique du euh, joint, tendeur pour les camions. On récupère les pièces usées. S'ils sont usés, on recharge par la soudure et on chariote sur la machine pour les récupérer. À part les différentes commandes qu'elle reçoit de la part des particuliers, des étudiants de l'université dans le domaine de la mécanique générale passent leur formation pratique dans son atelier. Il est fier de contribuer au développement de sa région. Vraiment, j'ai réalisé beaucoup de choses dans ce domaine et je suis en train d'aider aussi les jeunes. À un certain moment, les étudiants de l'université d'Agadez, comme qu'ils n'ont pas ce genre de machines, et ça fait partie de leur programme. De troisième année, donc ils venaient chez moi faire faire leurs 20 heures de module pour d'usinage. Quelque sorte, je contribue aussi pour le développement de la région. Dans son atelier d'usinage, il travaille avec six jeunes et comme pour tout jeune entrepreneur, les difficultés ne manquent pas pour Abahi. J'ai quatre assistants et deux stagiaires. Pour les inconvénients, ici c'est qu'on a un problème d'électricité au niveau d'Agadez. Autre activité là, toujours il nous faut de l'électricité. Parfois on a des activités à faire par manque d'électricité, il faut qu'on attend jusqu'à ce qu'il ramène l'électricité. Et à part ça, il y a le manque de matière d'œuvre. Donc il faut qu'on commande, soit au Nigeria ou au Côte d'Ivoire. Agali Mohamed est transporteur de marchandises des maraîchers. Depuis qu'il a découvert l'atelier d'Abay Mohamed, son camion est rarement tombé en panne. Il témoigne. Moi, je suis un conducteur de gros véhicules. Avant que mon véhicule ait un problème d'axe, il me faudra aller au Nigeria ou ailleurs pour trouver satisfaction. Mais maintenant, je trouve la solution à Gadez. Avec quelqu'un qui, quel que soit le problème, il peut me trouver la solution sans que je me déplace. Vraiment, il est bien et fait bien son travail. Et cela nous soulage. Son ambition aujourd'hui est d'abord de pouvoir commander d'autres machines plus performantes et ouvrir d'autres ateliers dans toutes les régions du pays. Merci à Karim Anissé pour ses portraits. Chers auditeurs, c'est avec le titre Zambo de El que nous bouclons notre playlist d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer. chers auditeurs, c'était là le titre Zambo du fait à la Jitaya. Dans la rubrique Lotti de ce matin, nous abordons le sujet de la maltraitance des enfants pour, euh, par leur belle-mère. Maltraiter les enfants de sa coépouse est un fait très courant au Niger. Or, persécutés à tort ou à raison, ces enfants seront marqués à vie par les actes de ceux-là même qui sont supposés les protéger. Et c'est, un, et c'est surtout un phénomène sociétal qui peut impacter les rapports entre individus. Écoutons plutôt les conseils des femmes du studio Kalangu. Hey menene na kara aiki ina iya in je kin kare wankin eh na yi wanke kwanonin wa na yi duka mamma to kin yi shinhuda na yi naku mamma sha biyu na dare me kike jira ki je ki yi shinhudar yayun naki mamman yiwa nike ji na yi su daga baya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ji mini wannan yarinyar a shekara goma sha biyu tuni ina magana kina magana wuce min daga nan kuma Allah ya sa kar kishin waɗannan na ƴan uwanki ke balkisa mm? ya kina ni nike miki magana kuma kina mini kina zumburo mini baki a'a ba haka ba ma. sai kin yi shin waɗannan kuma zan gani wa zai baki abinci yau da daren ne sai dai ki mutu da yunwa ku yi hankuri mamma mamma ne ana ta cuwa-cuwa haka? Eh, hey, yar leleta, mun tada ku ko? To ku ku huta ku, yanzu an yi muku shin huɗa ku ku kwanta. Kin gani ko? Kin tada mini yaran ga. Dalilinki ba su hutawa su ji daɗi a cikin gidan nan. Mama da Allah ka ku buge ni ku yi hakuri. Wane ne ke kira na yanzu haka? Ah, salamu alaikum. Ya ne kawa, kin iso? A to, yayi kyau, ina jiran ku. Ke Balkisa? Na mama. Zo ki ta yi maza maza ki gyara ɗakin nan, ki gyara shan huda kuma hallau ga ƙawata nan tahe. To mama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zainab, kun iso? Mm, gani nan dai kin gani. Barka da isowa. Barka ka dai barka. Kai kai masha Allah, zo zo zauna. Balkisa. Na'am mama. Zo ki kawo mama maki ruwa. To mama. Wace ce wannan kuma? Ina matar Mustafa kin nan da ta rasu? To iyarta ce. To, sa kirawo mini rakiya da Farida an gansu ko? Hmm, yaran nan suna nan ga barci. a suna barci. To ita me take yi har yanzu? Dare ya tsala hakan ga bata kwana ba. Haba Habiba, barbarin yaran ki gaban TV har wani rabin dare hakan ga. A ake. na to ni suna barci tun karfe goma na dare kuma kullum hakanan ne. Amma ita ko sai ta gama duk ayyukan cikin gidan nan. Kahin ta ci abinci sannan ta ta kwanta. Habiba, mina nake ji hakan ga? Ina gane kinan baki kula da yarinya na wadda kike kula da yaranki. Wace ce? Ita? To, yomi kike tsammani? Kin aza ina ganin ta tana nan zan ba iyan da na haifa aiki. Hmm, Allah ya raba gawa da dariya. Kin ji ki, wai Allah ya raba gawa da dariya. Haba, ita ma fa iya kice. Ke ke ke ke tsaya. gyara ki. iyar kishiyata wai dan mata rasuha. To na ji, amma wannan bai baki in ki kuntata mata hakan ga. Wallahi ki ji tsoron Allah da ya halicce ki. Kina da yarinya yar shekara goma sha biyar da yar shekara goma sha bakwai. Ha? Baki ba su aikin yi su da amanya sai dai balki sannan yar karama ga ta yar shekara goma sha biyu ki san da ita kadai ba ta yin wanga aiki duka. ke ta saba kullum ita take yin shi. Haba Habiba, yarinyar nan fa kake manta, magainiya ce. Zainab tsayan tambaye ki, wai saboda wannan kika zo? A'a a'a a'a amma diba dan Allah lokacin da ake nan gai dare fa yayi nisa ha kake mance fa mu musulmi ne in ka kula da wanda baka ma sani ba ga irin dadin da kake ji da irin ladar da zaka samu musamman ma an ce dan mijinki ha kuma magainiya da in ki kula da ita Allah ɗaya san dubun ladan da zaki samu kuma in kina son mai gidanki ya kamata a ce duk abin da ya fito daga gare shi ke ma ki so abin ina son mai gida na fa amma ke kike yin kaman biki san ba abin da mahaifiyarta ta yi mini lokacin tana raye daga na ga yarinyar nan ke nake tuna dukkan abubuwan da ta yi min haba habiba ke ko ai ba laihin yarinyar ne. kuma ki saurare ni in ofishi mai kula da kariyar yara suka ji irin wannan abun da ake yi Allah ɗaya san irin matsalolin da zaki samu da hukuma kuma in aka zo aka yi la'akari yarinyar nan ta mu ko ko wani abu ya same ta akwai ayar doka mai lamba ɗari biyu da biyu ke hana a kuntata ma yaro in ma babba ne bugu da gangan ko jima mutum da gangan kuma duk wanda aka kama da wannan laifin ana iya sa shi kurkuku daga wata uku har zuwa shekara biyu kuma zai biya tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sifa subhanallahi me nake shirin ji To, wani hali yarana za su shiga in aka jefa ni kurkuku? A'a, ha ake kai ga wannan. Ya kamata ki sake hali game da yadda kike yi ma wannan yarinya kina kuntata mata kina bata wahala. Ya kamata ki sake hali tun lokaci bai kore miki ba. Baki bata kula, baki gwada mata soyayya. Allah ɗaya san ta kai budurwa irin mugayen abubuwan da za ta sawa cikin kanta. Kuma ki san da cewa irin wannan abu da kike mata yana iya sa ko ta ga ki mutu kina cikin wahala wallahi ba ta taimaka miki ko ko ta cuta ma kanta da kanta. kuma ke gan duk wannan laihinki ne na ji kuma ya kare balkisa na'am mama zo iyata ta ki ci abinci kin shi ko kuma ki je ki kwanta ki yahe mini kin ji iyata na yahe muku na gode mama ai ba ga komi ba ina jiran babanta ya taho ni da kai na zan mishi magana don ya samu ya buɗe miki kan nan naki da eh Zainab babanta bai san ba me ke faruwa cikin gidan gafa dan Allah ruha mini asiri kar ki ɓata min gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un habiba wallahi ki ji tsoron Allah Ke, na ce miki ya ƙare. Daga yau na ce miki ba na ake kuntata mu Bilkisa ba. Gaskiya na gode miki da shawarwarin da kika bani. Kin san ban hangi ba matsalolin da ke tattare da wannan abun. Kishi na akan wannan marigayiyar ya sa ban ganin komi. To Allah dai ya kara haskaka mana komai. Amin. To ni zan je in dan huta na gaji. Hanyar nan ta yi tsawo. Je ki huta, ni ma zan je in kwanta.

i suban zama zaro din no i sintin ka blog din bangandi ndunya fi azul matara blog mantikala sanyen no wala tere yan ni ga sambu ni zamani si siri da yukan ni sam feri ni mayo bon ra nim labari no ni bun bon ni bafuna bon ndunyi tere kan yango no gite har yanda kan ni ba ni bore labaran din da ni no fonda din bon fondo mono kan di ka bai gumu bore gogo na fanda gumu ki kiyani se ki fondo zama kul kan bor kan ga to zambar zambar yan hala am ko to million yan guna talla koy bore kan gonne ngai jine kai ga ba bore ma bai igini kan do filana ni kan bore gun gumu nin jina talla se aran dai ma zinga gisa ba ki ginno min jina di talla ya din ga blog din hari no kan agon na fabe ya sino dunya sa tabero kan ga goyi dunya kulu oni a yadda ga te zari kan dunya fi azul matara iga jingar a ganan kamfani ngon ngai bo woni labi ngon ngai bo woni ina da mizi foyan mu igonda ngai bo woni a fukul mu gonda ngai kaman nafa ndunya gorara Merci Moussa pour euh, cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamaché, en fulfulde. N'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. abubakar abdul ya tema jodi do gendi agades mi mi hokka ra'ayi am do studio kalangu siriji mabbe no wodi sanne e men de men nana beldum majji hakko shirdum dum yata e tus ala fada men gidi be omta shaniji der gendi niger fu der sous region be be da gendi bebe da shaniji maɓe sosai. Suna na garje mai askin karago a nan garin Bande. Ni mai sauraron gidan rediyo Cidiyo Kalangu a bisa da ariyar gidan rediyo Ikirawa. Abin da yake burge ni wannan shirin na matasa da kuke yin shi sosai yana burge ni. Ana sauraron shi. Ina gaida Audu Ramman Mikiya wanda yake garin Alhaji Kadau. Ina gaida Abu Kwanci wanda yake nan garin Bande. Ina gaida Ilu na Ayyaya garin Kadau. Sunana Lawali Tasu. Gaskiya labarin Studio Kalangu muna jin daɗin shi. Kuma babu redin da muke saurare kamar stereo kalangu kuma muna jin daɗin shi sosai gaskiya muna jin sosai muna jin daɗi fiye da ba mu tunani saboda gaskiya yana mana daɗi sosai sai dai kuma muna fatan Allah ƙara muku arziki kuma Allah musu ƙwarin gwiwa yin wannan abubuwa sunana ajiya rakiya garba mazamniya anguwar mayanka to yanzu abin da ya burge ni bisa cikin harka emission ɗin gaskiya mun ji daɗi na studio kalangu gaskiya ra'ayinsu da suke gaskiya ya burge ni sosai ma tunda biskan harkar rayuwa na mata da na matasa ne kenan wanga abin ya kamata a karfafa shi yau ma ba ma mata ba matasan ga na zamani gaskiya ana son binkice a saman su kuma ana so sosai ma a waye musu kai tunda yanzu in musamman in kika dauki harkar shaye-shaye yanzu yanzu yara daga shekara sha bakwai kika ɗauka zuwa talatin da biyar gaskiya haraka sai dai mu ce dai alhamdulillah Allah dai ya kare za a ci kuma sai dai addu'a amma yanzu shaye-shaye yi yawa ki ɗauki daga fannin ekwal daga fannin a cikin gari abin alhamdulillah sai dai a ce dai godiya ta tabbata ga ubangiji yara sai addu'a ni dai ina fata ga studio kalangu su ƙara wanga emission a ƙara ba shi ƙarfi a ƙara ba shi ƙarfi tunda bisan matasa ne kuma in aka ce matasa su ne garkuwar rayuwar al'umma. Sunana Basiru Rabiu. Eto eh gaskiya labaran studio Kalangu sosai muke sauraron shi kuma mun gamsu da shi dari bisa dari saboda ta bangaren shi muke samun labaran da suke zuwa suna zuwa. Eto eh a gaskiya labaran nasu babu wata jita jita labaru ne na kwarai na gaskiya da gaskiya saboda mun gamsu da shi sosai mun yarda da duk abubuwan da suke gai gaskiya ne shi yasa muke sauraron shi kuma muka inganta shi sosai. Ina sauraron Kalangu ta hanyar rediyon kirawa wannan shirin da suke na mata na wayewa kai iya birge ni inda hali a kara mai lokaci. gaskiya na birge ni wannan shirin kuma kaman shirin da suke faɗin lambobin wannan nasu halla ko suna faɗin lambobi suna cewa a kiraye su ta wannan shi ma wannan iya birge ni gaskiya yana yana yana kayatar da ni ina gaida majar kinmu Aminu mai ana a magariya ina gaida yan gidan rediyon kitari da haɗin kai to kuma a nan bandi ina gaida alhulani hatsuma Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Et c'est ici que prend fin cette émission de ce mercredi 28 août 2024. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ousseini et moi-même Fanta Chamsou. Oui, l'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Amina Hassan. Excellente journée à tous. Ciao, ciao.